forum du studio Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio 18h de 15 minutes au studio Kalangou, 6 au quartier Kwarakano de Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum hebdomadaire de la presse qui reçoit des journalistes de la presse locale écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser euh, l'actualité de la semaine qui s'achève. Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine après la rencontre, le bilan, nous en parlerons dans ce forum. Sur le plan sécuritaire, vous suivrez l'analyse et les commentaires de nos confrères sur la fermeture temporaire de la base, de, la base militaire française à Madama, dans la région d'Agadez, mise en sommeil de la base, c'est le terme utilisé. En sport, la Coupe d'Afrique des Nations can Égypte 2019 se poursuit avec tout ce qu'elle a d'inattendu, des favoris éliminés ou encore des outsiders euh, qui euh, cheminent bien. Euh, nous sommes en compagnie de Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé, bonsoir. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste freelance. Ousseini, bonsoir. Bonsoir. Et Roufaï Dandoua, journaliste chroniqueur sportif. Roufaï, bonsoir. Bonsoir. bonsoir. Et à la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce forum de la presse par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine que Niamey, la capitale du Niger, a accueilli du 4 au 8 juillet 2019. La phase opérationnelle de la ZLECAF, zone de libre-échange continentale africaine, a été lancée après l'adhésion du Nigeria, puissance économique importante d'Afrique, signée par 54 pays sur 55 qui comptent l'Afrique et ratifiée par 27 pays. Le traité de la ZLECAF vise à rehausser le commerce intra-africain qui est de 15% seulement actuellement. La ZLECAF prévoit une union douanière, un marché commun africain et une unité monétaire. Euh, je commence euh, par vous, Issa. Quel commentaire vous inspire euh, ces traités de la ZLECAF qui bénéficie d'une adhésion en grand nombre, en tout cas, de pays africains Merci Alassane. Les gens ont signé pour signer. Pourquoi je le dis mhm. Parce que tout simplement, au niveau de la CDAO, il y a un protocole dédié à la libre circulation des biens et des personnes. Ce traité-là, jusqu'à cette date, à l'instant où je vous parle, ce traité-là ne connaît pas une mise en œuvre correcte. Vous sortez du Niger, vous traversez la frontière du Burkina, vous rentrez dans le Burkina, traverser le Niger, vous rentrez ici au Bénin, c'est des complications. Maintenant, libre échange économique, ça veut dire quoi Libre échange, on va aller commercer sur tous les pays, alors que au niveau de la CEDAO, je ne dis pas, parce que la CEDAO, ça regroupe un certain nombre de pays. 15 pays. Il y a, les barrières, comment dire, linguistiques mm. qui sont là. Mm. Mais avec la CEDAO même, on n'est pas parvenu à mettre en œuvre un mécanisme, alors que ça a été signé, c'est un protocole qui est là. Est-ce que le fait que, euh, euh, au niveau de la Cda qu'on n'ait pas réussi, est-ce que c'est la paix euh, Non, je vois pas comment. Empêcher à ce que, non, au niveau africain. moi, j'ai dit c'est du cinéma. Parce que, à partir du moment où, au niveau de ces pays, on n'a pas pu mettre en œuvre un mécanisme qui était là, depuis combien d'années, un protocole qui était là, depuis combien d'années ça n'a pas pu être mis en œuvre. Au niveau de l'UMOA, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été placés qui n'ont pas pu être mis en œuvre. Moi, j'ai dit quelque part. Vous êtes sceptique à la euh, honnêtement, de, de, honnêtement, honnêtement, honnêtement, quand on veut faire l'intégration, c'est qu'on doit casser euh, véritablement les barrières. Hmm. Mais quand on ne fait pas cet effort, et je n'ai pas l'impression, je n'ai pas le sentiment qu'on est en train de chercher ces bailleurs-là. Et je, suis désolé de le dire, je veux bien que l'Afrique soit dans une dynamique d'ensemble. Mais quand il y a les bailleurs, il y a des lusophones, il y a des, des, euh, espaces. Tout ce beau monde-là, où même la langue pose problème. Bien, nous allons donner la parole à Garé Amadou, euh, Garé du quotidien La Nation. Garé, euh, la ZLECAF, euh, euh, en tout cas la phase opérationnelle, vient d'être lancée ici même à Niamey après l'adhésion d'un certain nombre, en tout cas de 54 pays signés et 27 qui l'ont ratifié. Alors, vous, est-ce que vous êtes quel est votre avis par rapport à, à cette, euh, ces traités Il faut d'abord préciser que selon les, textes de l'Union africaine, c'est-à-dire qu'à partir de 20 ratifications déjà, hmm. euh, le, le, texte peut être en tout cas mis en, en, en vigueur. Il peut fonctionner. il, est déjà, on a 27. en vigueur depuis le 30 mai. Dès qu'on a 20, c'est déjà ça entre en vigueur. C'est-à-dire que c'est ça que les textes de l'Union africaine. Hmm. Donc on a déjà même plus que ça, on a 27. Bon, mais c'est les 20 qui sont qui, qui, le 20 qui constitue la norme en fait en hmm. réalité. Et concernant effectivement euh, euh, la zone de libre-échange continentale, il faut bien comprendre une chose. C'est que les pays africains, c'est vrai, ont des, économies disparates. Les pays africains ont des ressources qui sont un peu éparpillées sur le continent. Et certains pays ont besoin de certaines ressources que d'autres ont au lieu de partir les exporter au niveau de, par exemple, de, l'Europe, il y aura des exportations vers l'Europe. Mais l'échange intra-africain, c'est quelque chose de noble. Mm. Et contrairement à ce que Hussein dit, la CDAO, elle fonctionne très bien. Parce que la CDAO, je vous rappelle, en tout cas au niveau de l'Union économique monétaire euh, euh, africaine, euh, de l'Afrique de l'Ouest, elle a mis en place des normes en matière de, comment on appelle de gestion budgétaire, d'inflation, d'endettement et des normes qui sont respectées par les pays. Mm. En, termes de pression fiscale aussi, il y a des normes que l'UEMOA a mises en place pour permettre à l'économie sous-régionale d'être forte. C'est 20% pour la pression fiscale, mm. l'objectif qui est donné à tous les pays. Mm. Et des pays sont en train de se diriger ça. Donc, moi déjà, c'est une expérience que l'Afrique de l'Ouest a. Et quand vous voyez que 54 pays signent une zone de libre-échange continentale, ça veut dire que les 54 pays et leurs experts ont compris une chose, que c'est une bonne chose. C'est vers cela qu'on doit tendre. Et pourquoi Parce que les pères fondateurs de l'Union africaine, les Kwame Nkrumah, ils avaient toujours mis en exergue la nécessité pour l'Afrique, pour le continent, en tout cas le continent africain, mm. d'avoir une intégration vraie et réelle. Et c'est ça, c'est vers cela qu'on tend. Et c'est pourquoi je vous dis que si vous voyez 54 pays adhérer ce n'est pas pour rien. Nous nous ne sommes pas des techniciens, mais c'est que les techniciens qui ont analysé cela, qui sont partis, qui ont fait, qui ont passé par exemple par tous les processus avant, de venir à ce sommet de Niamey, les techniciens ont compris que c'est une bonne chose et que c'est faisable. Ce n'est pas une utopie. Et, et Hussein évoquait notamment cette difficulté dans la libre circulation des, biens et des euh, personnes au niveau de, au niveau de la CDAO et il voit que euh, il faut élargir cela au niveau de l'Afrique tout entière. C'est pourquoi je vous dis que l'expérience parce qu'en réalité, ce vers quoi on doit tendre, mm. c'est le passeport africain. Mm. Est-ce que vous comprenez le passeport unique africain, n'est-ce pas Et l'union douanière, mm. n'est-ce pas Un marché commun. Voilà, un marché commun. Maintenant, l'expérience de la CDAO est une bonne expérience. Parce qu'on sait ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché là, ça sort de leçons pour permettre de rebondir et de mettre en œuvre quelque chose qui va marcher. Parce qu'effectivement, il y a sur les routes, aussi bien à l'intérieur du Niger qu'au Bénin, qu'au Burkina. Vraiment, euh, il y a, y, a, des policiers des douaniers qui rendent la vie impossible aux, citoyens. Il s'agit de corriger ces erreurs-là pour faire en sorte que la zone de libre-échange continentale. Et je pense que les experts qui ont réfléchi à cela ont compris, ont pris en compte tous ces paramètres-là. Et je pense que là, on est sur la bonne voie. Rufai Dandoua moi, je pense qu'il faut faire euh, plusieurs lectures. D'abord, sur, euh, sur la forme. Mhm. Sur la forme, c'est déjà une bonne chose que ça soit signé ici à Niamey, que ça soit réussi et que le jeune Nigeria qui avait qui était réticent, à l'époque oui avait euh, puisse adhérer. à la dernière minute mais ils ont compris aussi qu'il faut déjà au-delà du nombre de pays qui ont ratifié on a encore 15 années et pour euh, mieux et voir comment ça, ça, va, ça va se fonctionner. Donc, et il y, a des, y a des produits que vous pouvez un peu protéger. Parce que les 15 années euh, ont été accordées à certains pays qui, ont, qui émis certaines C'était ça le problème du Nigeria avec euh, les accords de l'OMC. Ils ont perdu leurs euh, produits textiles aux dépens de, la Chine qui, qui a amené en masse en Afrique. Donc, Buhari avait réuni <coughs> les experts au Nigeria pour voir comment maintenant ils peuvent remédier cela. Donc, ceci étant, c'est une victoire pour, déjà pour le Niger et pour, pour son président parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il se a réussi quelque chose de d'inédit ou d'historique, si on peut l'appeler ainsi. Mais au fond, moi, je ne suis pas optimiste aussi pour, euh, quant à la réalisation, quant à la mise en œuvre effective, concrète. De, je pense que les chefs d'État africains, les, surtout les, ceux qui, qui pensent être de, de, de l'après, et indépendance et qui s'inspire un peu de Kwame Nkrumah. Mm. Ils, vont très vite en besoin 54 euh, pays euh, regardez comment l'Afrique est mm. aussi vaste. C'est largement plus grand que l'Europe. Quand l'Europe le fait, et l'Europe aussi est allée pas à pas. Je pense qu'aller avec déjà tous les pays, c'est trop utopique. Ça, je dis ça, je, pense. Quand on a parlé, par exemple, de la libre circulation, surtout des personnes, vous rentrez au Niger. Quand, dès que vous, vous, quittez la frontière du Niger, Nigeria, tu as beau avoir ton passeport nigérien, tu as beau avoir ton passeport de la CDAO, dès que tu viens chez les policiers, on va te faire comme ça, tu vois. Vous voyez, déjà, au sein de la CDAO, entre nous, à 16 pays, c'est devenu un problème. Avec tous les ateliers, toutes les formations qu'on a faites aux policiers, aux douaniers, à tout le monde, efforts personne, n'arrive à appliquer cela. Imaginez aujourd'hui maintenant et, un pays comme le Niger qui adhère à cela. Qu'est-ce qu'on va exporter Peut-être en dehors de l'uranium, en dehors, euh, en, termes de produits de, base on n'a pratiquement rien. Quand on a exposé, par exemple, nos, quoi, en dehors de, de, tu de côté, on a quoi est-ce que nous, on a fait cette étude en profondeur pour savoir que le Niger va être gagnant dans cette, euh, euh, dans cette affaire Je ne sais pas si ça a été fait. Le Nigeria qui est un géant d'Afrique l'a fait. Pourquoi nous, on ne l'a pas fait Peut-être qu'on ne l'a pas su, mais je pense qu'on aurait dû eh, mettre les spécialistes pour voir est-ce que ça va nous arranger ou pas. Je ne sais pas si ça a été fait et c'est ça qui devrait être euh, fait pour le bien du peuple nigérien. Mais Rufa, et si l'on parle bilan de, de, ce sommet, quel et le bilan que vous vous dressez à l'issue de cette rencontre euh, panafricaine dans le Niger a l'honneur euh, d'accueillir. Oui, c'est ça. Par exemple, quand je disais euh, sur, euh, sur la forme, déjà réuni une trentaine de chefs d'État l'Union africaine a dit que 32, 32 mm. ça n'arrive presque pas ou jamais euh, quand il y a le sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Et quand on regarde aussi euh, les défis qui ont été posés, par exemple, euh, que le Niger a relevé, par exemple, la Niamey aujourd'hui est devenue une ville qui peut accueillir tous les grands sommets. On a fait, sur le plan sécuritaire, on a réussi à, contenir tout ce qui était venu et il n'y avait eu aucun incident. mais au-delà de ça, par exemple, aussi, on peut aller en profondeur et on doit nous faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a dépensé Qu'est-ce que ça va rapporter au Niger Quand, par exemple, vous voyez les, les, dîners à l'emporte-pièce qu'on fait à gauche et à droite, les, qu'on invite tout et n'importe quoi. Tout le monde part, on mange, comment on l'a fait. Tout je pense il, faut ce bilan faut qu'on fasse ce bilan aussi pour savoir qu'est-ce qui a été dépensé, qui a financé ça. Ça, il faut qu'on le sache. Mais je pense que sur le plan euh, vraiment politique, c'est un grand coup qu'a réussi le Niger, au-delà de son président. Et aujourd'hui, je pense que le président Issouf est devenu, euh, parmi ses pairs aussi, une référence. Mm. Ça, sur ce bilan, je pense que c'est bien. Mais il faut qu'on fasse le bilan en profondeur pour savoir ce qu'on a dépensé, surtout des, euh, aussi les, le sommet des femmes qui, a accepté des, Voilà, Sous mm. ça, il faut, il faut qu'on fasse ce bilan. Bien. Euh, Issa, euh, quel est le bilan que vous dressez à l'issue de cette rencontre de, de, l'Union africaine Il a mis au devant, le président Issoufou a mis au devant, il fallait qu'il fasse cette euh, conférence, ce sommet, si vous voulez. Il est parvenu à le faire. Il a pu mobiliser 32 chefs d'État et de gouvernement. 32 chefs d'État, maintenant, le nombre de ministres, je ne sais pas exactement, il y en a qui parlent de 100, il y en a qui parlent de 80. Je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais je sais au moins qu'il y a eu 32 chefs d'État qui sont arrivés au Niger. Il y a des chefs d'État, dont celui de, du, Nigeria et du Bénin, c'est ici, ils ont signé l'accord. C'est une presse, je le lui reconnais. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire. Au même moment où le sommet a été convoqué à Niamey, où le sommet s'était à Niamey, mm. nous, n'avons rien à, exporter. On n'a pratiquement plus rien à exporter. Parce qu'aujourd'hui. Bien. Euh, <laughs> non, dans quel état Aujourd'hui, je vais le dire, est-ce que, les auditeurs m'excusent mm on n'a plus de brassiers dans ce pays. Ça, c'est quand même grave. Il y a de, tous les pays quand même. Non, non, non, non, je suis désolé, il n'y a pas un seul pays dans la sous-région où il n'y a pas de brassier Il n'y en a plus. Où les gens sont obligés d'importer pour vendre Oh, oh, oh, parce qu'il ne faut pas aller dans une logique où c'est dire que non, non, non, c'est pas bien, ceci, cela. Hmm. Ils ne font pas que les, boissons alcoolisées, ils font hmm. aussi. Bien, ni ça, je crois que c'est pas. Non, non, je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, on nous a inondé avec des boissons du Burkina Faso, du Bénin. C'est ça qui a tué la brasserie du <laughs> parce que c'était moins cher. Eh bien. Mais, euh, mais, mais plus cher aujourd'hui plus cher. Ousseini, euh, le bilan, euh, est-ce que, aujourd'hui vous pensez que euh, le Niger a profité de cette grande rencontre on va voir, non, on va voir la mise en œuvre. Qu'est-ce que ça va donner Parce que c'est une question de qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds C'est pour ça que le Nigeria, c'est à la dernière le Niger a signé. C'est pour ça que même le Bénin, nous n'avons pas de de comment vais dire, euh, euh, euh, comment, de peau, nous n'en avons pas. Est-ce qu'il faut forcément exporter pour en gagner Non, bien sûr, c'est important. C'est important parce que ça coûte plus cher quand tu dois aller prendre les produits qui vont être vendus, à magie, tout qu'on va venir mettre sur le marché. Donc votre souci, c'est les études pour, va être déterminer ces compétences dans une situation où on va importer tout. Au niveau des autres. Voilà. On va importer tout, mais nous, c'est quoi la plus-value Parce que la plus-value, c'est quoi C'est quand tu peux transformer quelque chose et que tu peux aller vendre ça dehors. Bien. Tu peux mettre. Euh, est-ce qu'on le fait Gary Amadou, euh, euh, quel est le bilan que vous tirez On a vu que Niamey a fait peau neuve, en tout cas pour accueillir euh, cet événement euh, des, routes construites, l'aéroport rénové, un certain nombre d'hôtels, en tout cas pour l'accueil des, des, autres. quel est le bilan aujourd'hui que vous vous tirez Est-ce que vous avez l'impression que le Niger, en tout cas, a pu profiter d'une telle rencontre Mais écoutez, écoutez Alassane, l'un des pays les plus pauvres au monde organise une conférence des chefs d'État arrive à maîtriser tous les volets. J'ai dit bien tous les volets. J'ai écouté le président Alassane Ouattara hier qui faisait un commentaire qui disait que le Niger a réussi haut la main. Hmm. Quand vous dites tous les volets, vous voulez bien nous Tous les volets, les volets sécurité, protocole, accueil, hébergement, tout est parfait. Mais ça, pour un pays comme le Niger, c'est une grande prouesse. On a beau dire. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de jeter des fleurs au président. Le peuple nigérien a rempli son contrat. Le Niger peut accueillir des grands sommets à l'avenir. Et c'est là à quel prix Roufaï demandait que, euh, ait un bilan le financier pour solidaire. savoir. Le peuple nigérien est solidaire. Mm. Écoutez, euh, non mais le peuple nigérien est solidaire. Il faut pas, faut pas venir. Moi, je mm. n'aime pas les commentaires à mm. n'importe pièce. J'ai écouté Rufai tout à l'heure dire que oui, au, niveau de la CDAO, personne mm. n'applique rien. Mm. Mais c'est fou. Non, ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, vous avez dit personne n'applique. Non, non, non, Vous avez dit ça. Non, j'ai écouté, j'ai eu des oreilles. j'ai parlé de la libre circulation des personnes. Vous avez dit personne n'applique. J'ai dit que dès que tu rentres au Nigeria. Non, au à part ça, avant de dire ça, vous avez dit. Que le, non, nous a, garé, euh, laisse Garé, euh, ouais, garé, mais c'est faux. Mais je n'ai pas dit J'explique. Non, j'ai écouté ce que vous avez. On peut, on peut, on peut ramener. je n'ai pas dit ça. Il faut réécouter ça. Quand, quand tu vas sortir, tu vas savoir que tu as dit ça. Il dit on n'applique rien. Il dit personne n'applique. Mm. Mais non, tout le monde applique. Regardez ce que l'UMOA fait. Mm. L'UMOA a une sorte de baromètre, elle surveille l'inflation. Mm. N'est-ce pas Elle a un taux qu'elle a fixé. N'est-ce pas 3%, je crois. Et concernant la pression fixale, non, attends s'il te plaît, attends s'il te plaît, c'est pas mm. des, c'est pas des commentaires comme ça à la volée, non. Non, c'est trop technique, mais c'est pour cela, il faut, il faut éclairer l'antenne. Il y a des gens qui nous écoutent. non, attends, c'est des, exemples précis que je donne. Il y a des gens qui nous écoutent, ils ont besoin de ces choses-là pour savoir que c'est du concret. Donc, concernant la pression fixale, 20%, l'UMOA surveille. Concernant l'endettement, 75%, aucun pays ne doit dépasser. Hmm. Ils surveillent. Hmm. Est-ce que vous comprenez Donc, ça marche. Et je vous dis, c'est l'expérience de, la, de l'UEMOA que, qu'on a qui nous capitalise. Et on va essayer de mettre ça en œuvre avec tout le continent. Et puis, je vous dis, hmm. nous, nous sommes là sur des plateaux de télévision, nous ne sommes pas des économistes. Mais avant que cette zone de libre-échange-là ne soit signée par les pays, mais c'est des experts qui ont travaillé, qui sont plus imbue de la chose économique que nous. Hmm. On ne peut pas venir ici sur un plateau pour dire que non, non, ça, n'est basé sur rien alors qu'on n'a aucun, aucun critère technique pour le dire. On ne peut pas dire ça. C'est trop léger, il ne faut pas faire ça. Maintenant, hmm. le Niger, on dit que oui, oui. savez, aussi dit que le Niger n'a rien à exporter. Non, le Niger a beaucoup exporté. Le Niger a de l'oignon qui périt, qui se détériore à cause du de le, manque de conservation, le manque d'exportation. Hmm. Et donc, on a un atout sur le truc. On a le bétail qui est, euh, qui, exporté de la sous-région, on en a un pagaille et demi. Donc, on a, on a une ressource. L'uranium, c'est vrai, avec ce que l'AIEA, avec le contrôle de l'AIEA, l'uranium, on ne vend pas ça à n'importe qui. Hmm. Mais je comprends. Mais on a aussi du pétrole. On a, donc, on a beaucoup à gagner. Hmm. Et c'est vrai, mais l'importation, ce n'est pas un défaut. Quand tu importes ce que tu n'as pas, c'est mauvais ça Est-ce que c'est mauvais Comme euh, m'explique. Pourquoi le Niger, quand il va importer quelque chose qu'il n'a pas, c'est mauvais Essaye de m'expliquer. Parce que moi, je ne comprends pas. Mais donc, soyez lucides, hmm. cette chose-là, cette zone de libre-échange continentale africaine, elle est très ambitieuse et je dis et je le répète, les techniciens ont travaillé dessus et ça va peut-être prendre du temps, mais je pense que le plus important, quand il y a des volontés politiques, hmm. on peut arriver à des bonnes choses. Nous passons au second sujet de, de cette. De ce... Excuse-moi, Alassane. Je vais agir à Gary. Ou, rapidement. rapidement, je vais lui dire. Je vais lui dire, pas. On a, on a tout simplement que quand il va prendre son véhicule là, et franchir la frontière ici, on a un protocole de libre circulation des biens et des personnes. De la CDAO, c'est une zone mhm. restreinte. Il va rencontrer des difficultés quand il rentre au Burkina Faso. Quand si c'est pas le Bénin, il va rencontrer des difficultés. Quand il va rentrer à Abidjan, ah, il va rencontrer même des... bus, même dans bus. Même, même Je suis en train de le dire. Ça, que pendant qu'on n'a pas pu régler au niveau de ces États, mhm. on n'a pas pu régler des choses comme ça. Pourquoi des gens peuvent penser que tout un continent, 55 pays, on peut créer les conditions que des gens vont s'entendre que les frontières vont être ouvertes et tout et tout. C'est des citoyens. C'est une, moi, sur le long terme. je ne parle même pas de biens, je parle de personnes. Je parle même des personnes. Moi, j'ai été ici au Nigeria où on me dit où est le visa. Je dis visa par rapport à quoi je suis dans l'espace CDAO. Mhm. Pourquoi quelqu'un va me demander un visa Nous allons, continuer, s'il vous plaît. Oui, oui, ce que j'ai dit. Bah, attention, je ne dis pas qu'il n'y a, pas de policiers malhonnêtes euh, sur, les, ah, corridors. Mais ça, c'est. Non, non, attends, s'il te plaît. Mais vous savez ce que la CDAO a fait eh La CDAO a fait en sorte que moi, quand je vais aller en Côte d'Ivoire, je n'ai besoin que de ma carte d'identité. Je n'ai pas besoin de passeport. non, attends, s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît, c'est une avancée. Tu ne vas pas venir me dire que c'est ce n'est rien du tout. Non, attends, s'il te plaît. Tu ne vas pas venir me dire que ce n'est rien du tout. Alors qu'on peut aller. en Nigérien. Non, attends, avant, ça n'existait pas. C'est la CDAO. On demande de l'argent quand même. mais ça, c'est la corruption, ça. Ça, c'est autre chose. Mais les textes. Les textes. Non, on est d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit les textes sont là. Mais dans la, pratique, libre, il y a, voilà, il y a des problèmes concernant la libre circulation des personnes. Ah. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a, pas de problème. Mais j'ai dit la libre circulation des personnes là, mm. ce n'est qu'un volet n'est-ce pas Mais le contrôle, attendez s'il vous plaît, le contrôle de l'économie ah. sous-régionale, hmm. le contrôle de l'économie sous-régionale est mené par l'UMOA et elle le mène de main de maître. franchement, nous allons pas, nous passons, nous passons au second sujet s'il vous plaît parce que nous n'avons pas assez de temps. Euh, nous n'avons que 45 minutes, nous sommes déjà à 18h39. Je le disais, euh, cette semaine, la base de Madama dans la région d'Agadez est mise en sommeil, c'est le terme utilisé. C'est une décision qui s'inscrit dans le cadre de la concertation des efforts de l'Iptako gouvernement au Mali, a annoncé mardi le porte-parole des armées françaises, le général Patrick Steiger, lors du point de presse hebdomadaire de l'état-major, euh, rapporté l'agence France Presse. Alors, euh, Issa, quelle lecture on peut faire euh, de cette annonce de l'état-major français je suis un élément que l'autre. Il y a une inquiétude. C'est de madame. madame, ils vont à Tel Aviv. Hein? À Tel Aviv, il y a un, aéroport qu'on est en train. On est allé s'endetter pour aller construire un aéroport. Mm. Et l'aéroport, tel que j'ai lu, c'est qui est ressorti dans le document par rapport au prix qui a été fait. On dit c'est pour une partie, c'est pour aménager l'aéroport de Niamey, moderniser l'aéroport de Niamey. Alors, je ne vois pas le lien. Non, une partie, c'est pour construire, pour moderniser, faire un aéroport à, à, à hmm. Moi, pour moi, quelque part, ça pose problème. Ça pose problème. Ils se quittent est-ce que vous pensez que l'aéroport qui va être aménagé à, Tilabé, va accueillir Non, non, c'est pour aller là-bas. Là, on parle, là, ils, vont aller à Gossi, à Gossi, au Mali. Mais, non, il y a une base qui a été récemment inaugurée en, juin... non, mais il y a une base aussi, une base avancée qui va être inaugurée de l'autre côté, quelque part. En tout cas, officiellement, nous ne sommes pas. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit officiellement, mais mm-hmm. moi, je veux vous le dire, à la salle. L'aéroport, c'est pour pouvoir les avions vont atterrir de l'autre côté, à côté de Tel pour pouvoir intervenir dans la zone parce que Alors, beaucoup plus sur, le départ, sur le départ, quel est le commentaire que vous faites sur le départ de, de Mais la quel, commentaire Tu veux que je fasse quel commentaire Le commentaire c'est... Madame, Madama, c'est euh, dans la zone d'Agadez. ils vont aller de, l'autre côté. Hmm. Mais tu veux que je te fasse quel commentaire ils vont aller s'implanter là-bas parce que tout simplement, ici, il y a déjà, on a les Américains, on a Comment vais-je dire les Allemands, eh, bah, les Allemands ils sont là. Ils vont aller s'installer parce que c'est plus stratégique pour eux. Mais quand ils vont s'installer là-bas, ils sont beaucoup plus à mesure de faire les interventions qu'ils ont envie de faire, les Français. Bien. Et, eh, Gare Amadou eh, Comment eh, vous, avez euh, accueilli eh, cette information et quel, quel commentaire ou oui, quelle analyse Oui, l'analyse qu'on peut faire. Moi, d'abord, j'ai écrit un article par rapport, par rapport au sujet, effectivement, quand j'ai vu cette information-là. Et il est vrai que quand j'ai vu que les Français vont quitter la balle de Madama, ils disent mise en veilleuse. Ça m'a beaucoup inquiété. Et pour une raison très simple. On fait comme si, et, au niveau d'Agadez, la zone d'Agadez, il n'y a pas de problème donc on va prendre les troupes pour les amener vers le Liptako Gourma où il y a beaucoup plus de problèmes. Mm. On oublie un détail extrêmement important. L'État islamique est en Libye. L'État islamique cherche des ouvertures pour s'installer. Et quelle est la meilleure place C'est la région d'Agadez. Et donc, je trouvais extrêmement suspect le fait que les Français me disent l'argument qu'on a invoqué on dit que, l'argument qu'on a invoqué, on dit oui, euh, on va quitter parce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement. Vous vous rendez compte L'armée française qui a vécu pendant combien d'années en Afghanistan, en Irak, va venir nous dire qu'il y a des difficultés. C'est aujourd'hui qu'on va nous dire qu'il y a des difficultés d'approvisionnement pour la base de Madama. ils disent surtout, entre autres, de pouvoir se concentrer. Euh, non, attendez, ça, on, peut raconter ça à des enfants d'école mm. primaire, ça. Mm. Ça, on peut dire ça à des enfants, mais. Mais nous sommes intelligents. Vous, vous vous inquiétez. Mais attendez, mais ça n'a aucun sens. Qu'il y ait une porte oh, ouverte pour. Euh, et puis pire, hmm. c'est pas seulement l'État islamique qui va venir à, partir de la Libye, mais mieux. Lorsque la force du G5 Sahel, il va il va Attends, ah oui, je sais. Je sais bien. Tu auras, tu auras, tu auras un réaction. Tu sais ce que j'ai dit. Ce que eh, même quand la force du G5 Sahel va être complètement opérationnelle, hmm. ce qu'elle va mettre certainement des terroristes dans des, dans des situations difficiles, ils vont cesser de base de repli. Alors ils vont rentrer dans le territoire malien, ils vont sortir pour entrer dans le, vers Agadez, puisque la base de Madama n'est plus cette base tampon qui peut les menacer ou qui peut. En tout cas, et voilà, le, voilà les risques. Je ne sais pas pourquoi, mais les Français, pour moi, ils doivent revoir leur copie. Franchement, je finis avec ça. Ils doivent revoir leur copie. Eh, eh, euh, oui, rapide. Parce que je suis d'accord avec lui. Hmm. On est dans une situation de conflit où on parle de l'implantation d'une nouvelle base qui va venir s'implanter quelque part et avec tout ce qui se passe en Libye. Nous ah, allons l'évoquer. Nous allons l'évoquer. Nous allons l'évoquer. Bien. Euh, euh, euh Dandoua, ouais. Moi, déjà, ça, euh, je, pense que Gareth se contredit. Quand elle dit et tout l'heure qu'on n'est pas des spécialistes pour parler de l'économie, là, elle se pose en spécialiste pour parler de, la défense, ce qui est beaucoup plus compliqué que sur le plan ah, économique. Et jusqu'à aller donner, jusqu'à aller donner des leçons à l'armée française en disant de revoir sa copie. Et je pense que c'est très osé. Autant on avait osé faire des petites euh, analyse tout à l'heure. Il ne faut pas profiter pour revenir sur l'ancien sujet quand même, s'il te plaît. Il faut <laughs> respecter les, les, auditeurs, pardon. Eh, non, non, si, si, non, non. Nous, allons aller, Il faut, il faut, il faut au moins et aussi et, savoir laisser les gens la parler et, ne pas les, les, les vexer. Donc, tu vois, non C'est ce que j'ai dit. Moi, je pense que... une armée comme l'armée française. Gary l'a dit, elle était en Afghanistan, elle était un peu partout dans le monde, elle fait partie des meilleures armées, armées du monde. Si, si elle, elle, pense. Elle pense. Et le ministre de, la Défense l'a dit. Il dit le Niger et l'armée nigérienne contrôle toute la zone là. Il dit c'est l'armée nigérienne. Moi j'ai lu un article et je l'ai suivi. C'est l'armée nigérienne qui contrôle toute la partie de tout le territoire du Niger. C'est qu'il faut rappeler, c'est que c'était déjà une base. aujourd'hui, aujourd'hui que l'armée euh, française, que la base, que euh, l'armée française pense que et qu'elle peut quitter pour, comme elle l'a dit, mettre en, veilleuse cette, cette base, mm. je pense qu'elle suppose quelque part que là-bas, c'est beaucoup euh, plus tranquille mm. que, que là où, où, ils veulent aller, ou que la région de Tel ou où aujourd'hui, je ne me rappelle pas la dernière fois où on a dit qu'il a eu des attaques euh, vers, vers Agadez, vers Madama, où il y a eu et euh, euh, des, des, Comment s'appelle L'armée islamique qui est, qui est, passée par là. Quelque part, c'est que là-bas, on est arrivé, avec l'appui des, armées étrangères avec, et l'armée nigérienne, on est arrivé à stabiliser quelque chose. Et maintenant, là où c'est. Il y a souvent des attaques à main armée. Oui, mais, attaques à main armée. On qu'un commandant même de, a, été tué dans la zone. Oui, oui sauf ici quand vous prenez en un mois, combien de on a tué. Eh vers, on a tué une fois 28 personnes, on a tué une fois 14 personnes. C'est beaucoup de personnes. En un mois, je crois qu'on a tué une cinquantaine de personnes. Il faut aussi savoir, et savoir comme disent les militaires, un repli stratégique, savoir concentrer les efforts eh là où il le faut pour aussi et endiguer le mal. Puisque aujourd'hui, au Niger, la zone la plus en insécurité, c'est la zone de Telaberi, quoi qu'on dise. Vous, euh, oui, je, voulais vous, savez, vous savez, euh, euh, peut être offensé, mais les questions d'économie sont des questions un peu trop scientifiques. C'est complètement différent. Ce que j'ai dit sur Agadez, c'est des constats que tout le monde fait. Hmm. Quand je dis que l'État islamique en Libye, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un truc scientifique, ce n'est pas un truc d'expert, c'est connu. Hmm. Et quand je dis qu'au niveau d'Agadez, il est bien connu qu'il y a une place qui s'appelle la place de Salvador, hmm. qui est, qui est une place centrale qui est entre l'Algérie, le Niger et la Libye, et qui est emprunté par les trafiquants de drogue, par les terroristes, n'est-ce pas et par beaucoup d'autres groupes mafieux, dont des trafiquants d'êtres humains. Donc, vous voyez, et quand je dis cela, ce n'est pas, pas, pas parce que je m'érige en, en C'est des constats que tout le monde fait et qui sont là. une question que j'ai envie de vous poser. Oh, on a vu que beaucoup de Nigériens se sont, en tout cas, oh, ont dénoncé la présence euh, militaires étrangères. Et aujourd'hui qu'ils sont en train de partir, les gens voient, que c'est, cela d'un mauvais oeil. comment comprendre cela oui, Vous savez, je crois que les Français ont compris que effectivement euh, leur situation, en tout cas, en tout cas aussi, concernant le sol nigérien, il y a eu beaucoup d'antipathie concernant, euh, euh, en tout cas, ce que la population a envers eux. Il y a une certaine antipathie quand même mm. qu'ils ont constaté. Aujourd'hui, ils ont fait une sorte de porte ouverte. En tout cas, ils ont accueilli des journalistes dans leur base. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, aujourd'hui. Mhm. Donc, une vingtaine de journalistes sont partis visiter la base. Pour... C'est une opération de communication. Maintenant, mhm. et, qu'on nous explique qu'on va amener au niveau de l'Iptako Gourma les forces françaises, alors que déjà, il y a une force euh, en tout cas qui, comprend les forces militaires du, Burkina, voilà, qui, qui, sont là en opération, ce qui n'est pas le cas pour la région d'Agadez, mhm. je trouve que c'est inutile qu'ils se déplacent, qu'ils laissent Madama aussi vulnérable, ou en tout cas qu'ils laissent... Moi, pour moi, quand j'ai fait mon article dans le journal, j'ai dit mm. que non, pratiquement l'armée française donne un signal aux terroristes. Elle leur dit, nous quittons cette zone-là, vous pouvez venir vous implanter, nous, allons partir vers le Lutako gourma, ou déjà des opérations. Bien. Oh, et par, sur l'avenir, non, sur l'avenir. Non, juste, sur la question là. Je pense que la question là est très importante. Je voulais en parler hmm. je, pense que c'est très important. Il y a un paradoxe par rapport à l'antipathie. On, constate, non, hmm. antipathie, ça, on hmm. peut, on peut aimer ou, ne pas aimer si qui on veut quoi. Et avec les, relations historiques qu'il y a, c'est normal qu'on déteste la France ou le colonisateur, que ce soit en Afrique. Allons-y. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on on veut une chose et son contraire en Afrique. Ça se passe au Niger seulement. Chaque fois, tu as dit, on, critique les bases militaires. Aujourd'hui, qu'ils veulent quitter, on dit non, pourquoi ils vont quitter. C'est la même façon, par exemple, avec la brasserie dont, dont a parlé et, On dit non, c'est des Français qui viennent, ils nous exploitent. Alors qu'ils emploient des Nigériens, ou des colons, ou des Blancs. Maintenant, quand ils quittent encore, on dit pourquoi ils vont quitter, on est en train de fermer. Il faut qu'on sache ce qu'on veut en Afrique. C'est comme quand on dit, par exemple, c'est juste, ça c'est une digression que je fais, mm. quand on dit non, non, les, les, les, Européens nous imposent des candidats. Aujourd'hui, c'est le cas en, RDC. Tout le monde savait que eh, Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. On a aujourd'hui, il est dans l'incapacité de gérer le pouvoir. non, c'est pour ça que je dis c'est une C'est pour, montrer le paradoxe des, des Africains. Ils ne savent même pas un moment c'est qu'ils veulent. Ils veulent une chose et son contraire. Bien. Sur l'avenir euh, de cette base de Madama, le journal français euh, La Lettre du Continent fait une révélation dans sa parution du 10 juillet euh, où il, affirme que depuis plusieurs mois, des, des, des négociations plutôt discrète ont eu lieu entre le président du Niger, Issouf Mamadou, et les autorités émiraties, et donc les Émirats arabes unis. Ces derniers veulent installer une base avancée au nord du Niger et le sable rouge du fort de Madama pourrait les y accueillir selon toujours la lettre du continent. Alors, Ousseinissa, à quoi peut-on s'attendre si cette information se confirme Oui, mais bien sûr, ça c'est un discours qu'on a entendu depuis pratiquement des jours. Mais moi, je veux dire une chose. La souveraineté d'un pays, là, suppose quoi suppose que tu sois en mesure de contrôler les frontières de ton pays. On n'a pas besoin de bases étrangères dans nos pays là. Ce pays a été en pays pendant des, pratiquement pendant combien d'années ce pays a été en paix. Les bases sont venues, on a plus de problèmes avec les bases étrangères Rufa, il va finir. Rufa, il va finir et tu auras à répondre à cette question aussi. Non, Rufa, je suis désolé. Tu auras le temps, le temps de réagir et de répondre à cette question. Oui, fini, rapidement. Oui. On a défendu nos, frontières pendant des années et des années. Les contextes étaient différents, on est bien d'accord. Non, non, non, le problème, non. Les gens, les gens ont créé des situations qui sont là qu'on est en train de vivre. C'est des situations qu'on ne connaissait pas auparavant. D'accord Je suis d'accord que euh, c'est des situations qu'on ne connaissait pas auparavant. Mais je vais dire une chose, c'est que quand on se donne les moyens de créer les conditions pour que des choses comme ça ne se passent pas dans un pays, on peut les créer. Mais quand on crée les conditions pour que ces choses-là se passent, ça va arriver. Et on est dans une situation comme ça. Je suis entièrement oh, d'accord avec, oui, je suis entièrement d'accord avec en même temps, tu réagis, tu à la question. Oui, qu'on a, créé ou pas, qu'on ait créé ou pas, mm. aujourd'hui que ça y est là, il faut qu'on se dise que seul on ne peut pas éradiquer eh, tout ce qui se passe euh, comme insécurité. Aujourd'hui, ça dépasse l'Afrique, c'est le monde entier eh, qui, est contrôlé par l'insécurité. Une base émiratie, éventuellement. Moi, je ne parle pas euh, de base émiratie, Regardez tous les pays qui nous entourent. Mm mis à part ces quelques tensions qu'on constate à, à, à je pense qu'on est le pays le plus en paix de la sous-région. Et quelque part, quoi qu'on dise, ces bases étrangères qui sont là, les Américains, les Français, les Allemands, mm ou qui, qui ou, que le soit, je pense qu'elles sont pour quelque chose. Pourquoi Parce que s'il y a, par exemple, une attaque aujourd'hui, peut-être qu'on a prévenu 10, 15, 20, personne ne sait. Je pense que ça, ce sont des discours, ce sont des, discours des, étudiants qui disent il faut chasser les bases étrangères ou des populistes qui veulent se faire voir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah. vous ne pouvez plus réagir parce que Garé doit parler. Garé, Garé allez-y. Garé, allez-y. Garé doit parler d'abord. En, fait, en, fait, ce que j'ai dit, j'aimerais quand même qu'on fasse euh, une, une certaine les Nigériens ne sont pas contre les bases militaires. Hein. Les Nigériens veulent simplement que les bases militaires soient utiles à leurs yeux. voilà, c'est tout. C'est pas qu'ils sont contre. Hein. et donc, non, oui, en fait, ce qu'elles veulent, mmh. c'est que quand par exemple il y a une attaque terroriste, qu'on dise que les bases militaires ont participé à maîtriser, à neutraliser les ennemis. Ça, ça va leur, ça plaisir. Vous comprenez Non, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, en fait, on dit que oui, euh, euh, dit que oui, euh, les, Africains ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils, sont contre... ça, ça, Non, je, m'explique. Les Français ne sont pas en train de quitter le Nigerien. Hein. Ils sont en train de se redéployer. Mhm. Et donc, les Nigériens ont le droit de se poser des questions sur l'utilité du redéploiement. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils sont. Non, non. Puisque c'est un fait que les, troupes sont là. Et on dit même mise en sommeil, on dit pas mise en mhm. C'est même pas fermé. Hmm. Oui, oui, c'est mise en sommeil. Hmm. Ah, c'est un, message très fort pour les Garé, hein. si vous voulez bien, nous allons <laughs> enchaîner sur le dernier sujet. Euh, esport, sport, euh, donc la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit euh, activement en Égypte. on a vu en tout cas un certain nombre de surprises, notamment plusieurs pays, plusieurs équipes que beaucoup, euh, en tout cas, euh, considèrent comme des favoris éliminés. Euh, entre autres, nous avons le Maroc, l'Égypte, le Ghana, le Cameroun, la, voilà, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. tous ces pays, en tout cas, qui ont été éliminés, soit en huitième de finale ou en, quart de finale. Quel est le pays dont l'élimination vous a le plus marqué, Garé à ah et, pourquoi Ça, c'est incontestablement l'Égypte. Ça, c'est le choc de la Cannes l'Égypte éliminée comme ça, oui, avec les salas en pleurs là, mais c'est incroyable l'Égypte. T'as dit, on n'a jamais, non, on n'a jamais pensé dans le, le, plus gros pronostic mm. que l'Égypte allait être éliminée comme ça. je vous jure, mm. les gens disaient que l'Égypte va en finale. Ils ont même dit que l'Égypte va prendre la coupe. Mais c'est normal que tout un peuple s'effondre à l'arme que l'Égypte est éliminée. C'est incroyable. Mm. Et en plus, par qui Par l'Afrique du Sud qui a été par la Qui avait euh, l'équipe qui était, qui était qualifiée inextrémiste. Euh, mais est-ce que vous comprenez Une extrémiste avec un jeu quasiment pratiquement nul. Et finalement, l'Afrique du Sud a été aussi euh, éliminée par euh, le Nigeria. Oui, mais l'Afrique du Sud, ça fait, plusieurs, ça fait plus de 5 ans, je peux dire, ou plus de 10 ans, elle a déployé son meilleur football face à, face l'Égypte. Peut-être que c'est le défi. Le fait de jouer contre l'équipe haute, mhm. ça vous donne un, mm, certain, courage mm. et une certaine volonté. Peut-être que c'est ça qui a marché. Mm. Mais franchement, cette canne-là retiendra l'élimination de l'Égypte qui n'est même pas arrivée au niveau des quarts de finale. Vous savez, ou bien vous ne voulez pas parler football Non, moi ça me dit rien. Est-ce qu'il y avait Mena Bien, eh, eh, non. il avait pas non. non, je vais te poser la question. Mena n'était pas là-bas. Donc, il y a eu des pays qui ont émergé, des pays comme Madagascar, comme le Bénin. Le Mali. Tout ça, non, le Mali encore, ah, c'est un pays qui a. Mais moi, ah oui, bien sûr, ils sont arrivés. Moi, ni chaud, ni froid. Bien. Non, non, non. Tous les pays qui ont pu accéder à, la phase là, demi-finale, là, tous ces pays-là sont, méritants. Maintenant, comme est-ce que le ménage était là-bas Mais on n'apprécie pas Oui, eh, pour, finir avec ce que ah, a dit, c'est extrêmement important. Oui, Mais là n'est pas la question, vraiment, c'est le déroulement de, de, la canne. C'est vrai qu'on peut... En fait, c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que c'est une leçon qu'on a donnée mm-hmm. à notre fédération. Vous voyez un pays comme le Bénin, qui n'a même pas de championnat. Vous voyez un pays comme Madagascar... Ah non, le Mali, ça va. Vous voyez un pays comme... Madagascar, c'est la première Madagascar, à la première participation, hmm. qui a atteint les quarts de finale. Hmm. Et nous, on nous dit non, on s'est qualifié à deux cannes, alors que on, a, presque, plus de moyens que euh, ces hmm. pays-là. Ça, c'est très important. Je pense que c'est une leçon administrée à, à, notre fédération. Maintenant, maintenant, pour parler, moi, je, suis peut-être plus... ça m'a plus choqué. Bon, pas choqué. Peut-être, je, je n'arrive pas à trouver le mot. L'élimination du Maroc par le Bénin. Le Bénin. Mhm. Par le Bénin. Personne ne s'attendait. Moi, je, me rappelle la semaine passée, la semaine passée, je disais que eh, s'il n'y a pas eu de cataclysme, la finale, c'est Maroc-Égypte. et, le, le même jour, presque le même jour, on est les deux. <laughs> Mais le problème qui se pose, c'est qu'on avait des favoris sur le papier et des favoris qui se sont révélés au fil du terrain. tournoi. Et c'est le cas de l'Algérie. Quand vous regardez. aujourd'hui, quelle, équipe vous, vous, pensez avoir les chances quand vous regardez, ça. de remporter cette canne Quand vous regardez le la compétition de l'Algérie, du premier match jusqu'à hier, vous voyez le plus grand favori de la compétition. hier seulement, ils ont encaissé ah. un but. Oui, ils ont ah, encaissé un but, mais hier même, ils pouvaient gagner. Ah vous voyez le plus grand favori de la compétition, c'est l'Algérie. Ils peuvent perdre face au Nigeria. Le Nigeria, je pense qu'ils ont déjà fait une belle canne et parce qu'ils sont en train de, de, faire une belle équipe. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les matchs, même si les favoris tombent, je pense que le favori de la compétition, c'est l'Algérie, quoi qu'on dise. C'est votre avis, Garamon Mais c'est clair, c'est l'Algérie. Vous savez, le match d'hier contre la Côte d'Ivoire une équipe hyper nulle, l'équipe ivoirienne. Nul, nul, nul. Un jeu décousu. Vous vous, rendez compte C'est-à-dire que on, est surpris qu'on dise que la Côte d'Ivoire est un pays favori quand on voit le football là. Et déjà, quand on avait donné les pénalités. Fin du forum d'aujourd'hui, oui. Euh, Garé, <laughs> nous sommes à la fin. Fin du forum de la presse, nous étions en compagnie de nos confrères Garé Amadou, journaliste au quotidien de La Nation, au Issa, journaliste freelance, et Roufaï Dandoua, journaliste chroniqueur sportif. Présentation à la sainte Kouzi Mamadou à la technique Issa Alawali. N'oubliez pas le rendez-vous hebdomadaire du nouveau programme Jeunes, c'est le samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 minutes samedi le forum en Hausa sur la dentition et celui en Zarma dimanche à la même heure sur la drépanocytose. Bonsoir.